vendredi 28 avril 2023. Chers auditeurs et auditrices, merci et bienvenue à ce dernier rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangu de la semaine. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Je suis Salamatou Kadri alias Sali, votre ami du midi, et à mes côtés, Ali Ousseini dit nous La technique est assurée par Mustafa Ayouba, Adam et à l'édition. nous bonjour. Bonjour Sali, comment ça va Ah, je vais super bien, Oli. Ah, excusez-moi, je t'ai appelé au <laughs> lycée, nous. Je vais super bien. Alors, rappelons-nous le programme de ce matin. Eh bien, Sally, comme d'habitude, nous offrirons à nos auditeurs un programme costaud qui commence avec le flash d'information. Et comme nous sommes vendredi, euh, vous vous, hein, vous, auriez également la revue de presse. Il y aura une bonne musique 100% nigérienne et évidemment, le loti avec les femmes du studio Kalangu, la rubrique sport et de la culture linguistique. Ensuite, nous ferons un tour euh, en région. Cette fois-ci, c'est la région de Tawa qui sera à l'honneur pour parler des difficultés dans l'exportation de l'oignon des Galmi. Dans le Niger sur Kalangu, nous donnons la parole à nos auditeurs et auditrices, mais avant, nous recevons d'abord notre invité du jour, M. Lawali Gazali, alias DJ Wali. Il est cinéaste, acteur, réalisateur et producteur. Sans plus tarder, Sans plus tarder, voici le flash avec Rafika Atta. Rafika, bonjour. Bonjour Sally, comment ça va Ah, ça va très bien Rafika. Quelles sont les actualités du jour Bonjour d'abord, c'est nous, chers <laughs> invités. Bonjour. D'accord. Au Conseil des ministres d'hier, jeudi 27 avril, il ressort que l'état d'urgence a été prorogué dans le département de Filengue pour une nouvelle période de trois mois, du 27 avril au 25 juillet 2023 inclus, dans la région de Difa et dans certains départements des régions de Tawa, département de Tassara et de Tilia et de Tilaberi, département de Walam, d'Ayeru, de Bankilare, d'Abala, de Banibangou, de Saï, de Torodi, de Terra, de Tilaberi et de Gotei, l'état d'urgence est rallongé dans ces zones pour une nouvelle période de trois mois aussi, allant du 1er mai au 29 juillet 2023 inclus. Ensuite, euh, au Niger, plus de 16 000 candidats sur l'ensemble du territoire national ont affronté hier les épreuves sportives du certificat d'aptitude professionnelle CAP et du brevet d'études professionnelles BEP. Dans son mot au lancement, le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a indiqué que les épreuves sportives ont démarré dans de très bonnes conditions. Enfin, l'agence nigérienne de presse ANP indique qu'hier, l'agence nationale pour la promotion de l'emploi ANP a organisé une conférence débat. C'est suite à la publication des résultats de l'étude intitulée Ce qui fonctionne pour l'emploi des jeunes en Afrique, un examen des politiques existantes et une analyse empirique validée en mars dernier. Cette étude inscrite dans le cadre d'un ensemble d'études menées dans une dizaine de pays africains pour constituer un corpus de connaissances plus large sur les politiques d'emploi des jeunes a consisté à dresser un inventaire structuré des principales politiques nationales ayant pour but de promouvoir directement ou indirectement l'emploi des jeunes au Niger au cours de la dernière décennie. Voilà, c'est tout pour euh, ce flash d'infos. Sali, je vous reviendrai en fin d'émission pour vous annoncer les titres de la grande édition de 17h. Merci Rafifi. Merci infiniment Rafika Ataher pour euh, toutes ces informations et à tout à l'heure. Chers auditeurs, euh, comme annoncé tout à l'heure, nous sommes ce matin avec Monsieur Lawali Ghazali alias DJ Wali. Il est cinéaste, acteur, réalisateur et producteur. Bonjour Ghazali. Bonjour Seino. Bonjour Sali. Merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Mais sinon, avant de donner la parole à notre invité du jour, dégustons d'abord la première chanson de notre sélection d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Il y a où vous l'aurez deviné, c'est le titre que vous venez de déguster, signé par Feu Sadou Abdou. Connu, plus, connu sous son nom d'artiste Sanoubou Sadoubouri, c'était un chanteur, compositeur et batteur. Il a débuté sa carrière musicale dans l'orchestre Goriba de Maradi avant de rejoindre le mythique orchestre Carnaval de Maradi dirigé par son oncle fait Hassan Garba. Avec l'orchestre Carnaval, il a connu la gloire et porta haut le flambeau de la musique nigérienne. Que la terre lui soit légère. Amen. Sinon. Après la pause musicale, chers auditeurs, c'est l'heure pour nous de nous entretenir avec notre invité du jour. Et oui, Sali, hein, DJ Wally est avec nous dans ce studio. Rebonjour, DJ Wally. Bonjour, bonjour, Seino. Alors, avant de parler cinéma, dites-nous comment êtes-vous arrivé dans le métier Hasard ou passion <laughs> euh, Tout sauf hasard, hein. Ok. Bah ouais. Parce que euh, je dirais plutôt que le cinéma, pour moi, c'est une passion. Ok. Oui à la base, moi à la base, je voulais juste jouer. Je voulais juste jouer dans un film parce mm. que j'adorais les films et tout. Et malheureusement, il n'y a pas de casting ici au pays, il faut le dire. Mhm. Donc du coup, je me suis dit, bah écoute, s'il n'y a pas le casting, pourquoi pas créer un film et faire un casting pour pouvoir faire jouer des gens également qui partagent la même passion que moi. Mhm. Ouais, et c'est de là que... C'est parti. Tout est parti. <laughs> et que représente le cinéma pour vous C'est toute ma vie. Hein. Ah bon C'est toute ma vie. <laughs> c'est juste un passe-temps ou vous avez juste une autre activité principale à part euh, j'avais, j'avais commencé les études après le bac. J'ai fait, fait la communication jusqu'aux licences. Et du coup, après, je euh, j'ai pas pu terminer. Je me suis carrément consacré au cinéma et parallèlement, j'ai une ONG qui est active, donc qui intervient dans l'hydraulique et l'éducation. Ok, ah, d'accord. Et aujourd'hui, quelle est la place du cinéma au Niger, dans la sous-région ou en Afrique Je disais que le cinéma, franchement, au Niger, c'est comme toute activité, elle n'est pas encore sur le ring. Oui, parce que il faut le dire, on n'a toujours pas un fonds qui est destiné au, au cinéma. Donc, du coup, tous les réalisateurs, les producteurs que tu vois, les gens, ils se vas euh, ils se concassent la tête pour pouvoir réaliser leur propre offre. Oui. Ok, donc euh, si je comprends bien, euh, la majorité des cinéastes, ils fonctionnent avec leur propre fonds. Il n'y a pas un fonds dédié spécialement. Bien sûr, bien sûr. Moi, par exemple, en parlant de mon cas, moi, j'ai pas eu de soutien pour pouvoir réaliser, mais j'ai deux productions qui sont actives mm. et je les ai réalisées sous fonds propres. Mm. Mais on parle également de l'existence de fonds d'appui à la culture. Le fonds DAC Oui. <laughs> il faut le dire, le fonds DAC, il est très sélectif. Il est très sélectif. J'ai eu à postuler, j'ai jamais eu de suite. Et t'en qu'il qui postulent, banalement, il se ramasse des millions. On n'a jamais compris pourquoi. Des gens qui sont même pas dans le domaine, mais qui se font des projets, ils ramassent des millions. Bah, on ne peut pas comprendre cela. Ok, d'accord. Alors, dites-nous comment euh, appréciez-vous le, cinéma hein, que nous produisons Quand je dis nous, ça veut dire nous, les Nigériens. Ouais. selon vous, le cinéma nigérien est-il euh, apprécié par les, Nigériens eux-mêmes Écoutez, euh, moi j'ai fait deux projections et franchement, j'ai fait que des salles pleines. Donc, je disais qu'il y a pas mal du monde qui suivent et qui sont prêts à accompagner également, à soutenir si on peut le dire. Ok. Oui. Et aujourd'hui, quand on parle, on peut pas parler du cinéma sans parler de aisha Maki, euh, Amina, euh, Mega Meiga, peu Serge Clément, tout ça. Mhm. Donc, c'est des gens que je respecte beaucoup et qui contribuent également. Mm. Alors, c'est deux questions que j'ai posées à la fois. Donc, je disais, comment est-ce que vous, vous appréciez le cinéma, euh, la production oui, bien sûr. Je les respecte bien, je respecte ce qu'ils font. ok Oui, ils font des bons trucs, euh, il faut le dire, même techniquement, des fois, nous ne sommes pas autant qualifiés, mais avec le peu qu'on a, on arrive à produire des bons trucs. Parce que quand tu vois, il y a des productions qui passent sur TV5 Monde, sur Canal Plus, donc euh, ça va. c'est Ce qui veut dire que la qualité d'image y est. Pardon je disais, ce qui veut dire que la qualité d'image y est Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu euh, le film Zender de Aisha Maki. Bien sûr. qui a remporté pas mal de prix. évidemment. <laughs> Exactement. Ok, d'accord. Merci. Avant de continuer, Monsieur Gazali, nous mm. allons marquer une pause avec la revue de presse euh, présentée par euh, Mokhtar Hamadou. Il est là, il est présent actuellement dans le studio. Mokhtar, bonjour et sois la bienvenue parmi nous. Voilà, Mokhtar qui va nous présenter euh, la revue de presse. Il est déjà avec nous dans ce studio. Alors, bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Seno, bonjour Salamatou Kadri. Bonjour Mokhtar. Alors, quelles sont les nouvelles de la semaine Crise euh, persistante euh, de l'Oumana à Niamey, le poste de secrétaire général du 5e arrondissement toujours vacant s'exclame le quotidien nigérien d'information et d'analyse Mouria. Selon le journal, ce sont les intérêts purement matériels qui divisent très profondément le parti depuis la cellule de base jusqu'au sommet de responsabilité. Ainsi, plusieurs structures du parti, plusieurs zones du 5e arrondissement de Niamey se disent exclues du partage des postes et des avantages obtenus à l'issue des élections générales de 2020-2021. Pour beaucoup de militants, les dirigeants du parti sacrifient les intérêts moraux et l'image du parti, écrit le journal. Issoufou Mahamadou, rattrapé par l'affaire Uranium Gate, titre en gros le quotidien nigérien d'information L'enquêteur. Le journal nous apprend que plusieurs enquêtes menées par les autorités américaines et françaises révèlent des détails sur les bénéficiaires d'opérations menées par Areva au Niger en 2011. Les autorités américaines ont identifié un prestataire régulier du département d'État qui est au cœur de cette affaire. Issoufou Mahamadou risque-t-il d'être rattrapé par l'Uranium Gate Saint-Rouge, le journal. Ainsi, dans les documents internes de comptabilité de la société Helen International est mentionné un certain t en, griffe un nom de code que des éléments de l'enquête américaine tentent d'attribuer à l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou. Rapport général euh, public 2021 de la Cour des comptes, euh, des révélations fracassantes euh, dans la gestion des biens publics s'indigne le site d'information actuniger.com. Ainsi, au titre du contrôle des opérations de l'État. Le rapport a fait ressortir, entre autres défaillances, la mauvaise tenue de la comptabilité par les comptables principaux de l'État, euh, se caractérisant notamment par l'existence de soldes anormaux et des écarts entre les soldes et entre les soldes de sortie et les soldes d'entrée des années successives, les défaillances dans la confection des comptes de gestion, le défaut de production des pièces justificatives au titre du contrôle des opérations des collectivités territoriales, la Cour a relevé plusieurs manquements, notamment la mauvaise tenue de la comptabilité par les receveurs régionaux et municipaux, la non-production des comptes de la mauvaise qualité de ce produit à la cour, la mauvaise amputation des recettes et des dépenses ainsi que le non-respect des seuils de passation des marchés publics. Les mêmes manquements ont été constatés au niveau du contrôle des établissements publics à caractère industriel et commercial, sociétés d'État, sociétés d'économie mixte, des établissements publics à caractère social, projets et programmes de développement. Enfin, une bonne nouvelle, au Niger, Youssouf Seriba, lauréat du prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo 2023, écrit le quotidien nigérien d'information et d'analyse Mouria. Le, journal nous apprend que le journaliste d'investigation africain était à l'honneur le mercredi 26 avril principalement le Niger à travers Youssouf Seriba qui a remporté le premier prix du concours de la catégorie presse écrite. Le prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo vise à décerner des récompenses aux productions des belles factures. Les lauréats ont été distingués dans les catégories presse écrite, télévision, radio et médias en ligne. Au total, 13 prix ont été remis aux journalistes, dont le bronze, l'argent et l'or. C'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 28 avril 2023. Passez donc d'agréables moments en compagnie de nos collègues euh, Salamatou Kadri et Seno pour, euh, votre, pour votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci infiniment. <laughs> Merci, Merci C'était là la revue euh, de la presse. Chers auditeurs, que, qui nous relate un peu l'actualité qui a dominé dans la presse nigérienne. Poursuivons avec notre invité, le cinéaste Ghazali. En fait, il a plusieurs casquettes, euh, je pense. Ah <laughs> Digue quels sont les problèmes auxquels les productions cinématographiques euh, du Niger font face Beaucoup de problèmes, beaucoup. Mais le principal problème, moi, je, dirais que c'est le manque de financement. C'est le manque de financement. Et franchement, il faut le dire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mhm. quand, tu, quand tu es producteur ou réalisateur, tu es mhm. obligé de produire tes propres trucs, propres trucs du moins, mhm. sous, sous fonds propres. Oui, parce que tu vas beau faire des, quêtes pour, pour, demander un soutien au gouvernement, mais c'est en vain, quoi. Alors, mis à part, mis à part le, problème euh, financier, est-ce qu'il y a-t-il d'autres problèmes auxquels euh, euh, vous faites face Franchement, non. Je dirais non. Parce que là, quand vous voyez, le public, il répond. OK. Ouais. S'il y a des projections, le public, il répond. OK. Bah, Mais pour faire... le public est présent. Le public est présent. Mais pour faire le produit, il mhm. te faut du financement pour le faire. Effectivement. Effectivement. Mhm. Mais on n'a pas ce financement en termes de, en termes de comédiens, d'acteurs, vous n'avez pas de soucis euh, par rapport à cela Est-ce que vous arrivez à, trouver tous les, comédiens dont vous... Par exemple, si vous avez besoin mhm. de, de, 10 mhm. comédiens, 20 mhm. ou jusqu'à 100 comédiens, est-ce que cela ne cause pas problème Il y a assez de comédiens au Niger qui, répondent il y, en a, il y en a beaucoup plus mais c'est juste l'opportunité qui ne se présente pas. Donc du coup, dès qu'il y a un casting, tu vas te remplir une salle. Ah d'accord. Ben oui. <laughs> d'accord, alors on va, on va continuer avec les questions. Alors, quelles sont les, les, perspectives pour euh, y remédier Parce que vous avez parlé de, de problèmes de, financement. <laughs> oui, bien sûr. <laughs> Et nous, on a, pas, on a entendu parler de, du fonds qui sera débloqué, un milliard de, francs CFA, mhm. par son excellence. Mais bon, euh, on est toujours en attente peut-être s'il arrive à le débloquer, ça va remédier pas mal de trucs. Mhm. Bah ouais. Et quel avenir voyez-vous pour euh, le cinéma nigérien Promettant, si on peut dire. <laughs> <laughs> Un moment comme ça Bah ouais, parce que euh, moi je pense que il y a les réalisateurs ils sont déjà qualifiés. Ils sont qualifiés, ils font des très bons trucs mhm. qui, sont, qui sont reconnus mhm. mondialement. Aïcha Maki, Chapeau à elle, Jaloud, euh, Amina, pas mal, les Jingare Mega et tout, vous voyez. Mhm. C'est des gens, ils font les choses avec le peu qu'ils ont, mais ils font des grandes choses. Donc franchement, je me dis que c'est des exemples, c'est des modèles pour nous qui sont les petits. Et ça va le faire avec le temps. Ok, vous avez parlé d'excellence, euh, vous avez parlé d'excellence qui va débloquer euh, une somme colossale pour mhm. accompagner le, cinéma nigérien. Il s'agit de quelle excellence Parce que vous avez dit, tout simplement. Ah non, il a dit son nom. <laughs> Ben, est-ce qu'il a dit son nom Non, il a dit son nom. Il a dit excellence. Tant, tant qu'il dit excellence, que c'est le haut niveau, quoi. C'est le roga. c'est le roga, bien sûr. C'est C'est gars, c'est Dambou. jamais <laughs> Alors, euh, parlez-nous de, de, vos projets à, long terme et court terme, bien sûr. Oui, alors là, euh, on prépare déjà des séances de projection pour les grandes vacances. Et juste après, là, je suis en train de travailler parallèlement mhm. sur un nouveau projet d'un film. dont Donc, je vais faire un casting pour très bientôt. Donc, euh, je me dis qu'il y a pas mal de trucs vraiment qui sont dans le Et une petite tournée également qui est prévue mhm. en Europe. Donc, à partir de J. Et qu'avez-vous à dire à ceux ou ceux qui souhaitent à se lancer dans le cinéma Alors, il faut y croire. Il faut y croire. <laughs> Moi, j'écris, j'ai pas eu de soutien. J'écris, j'avais que le soutien de ma famille. Donc, euh, je me suis lancé là-dessus. Alors, vous avez parlé également d'un déplacement que vous allez effectuer, hein, n'est-ce pas Incessamment d'ailleurs, euh, en Europe. Alors, mhm. dites-nous, euh, ça sera aussi sur fonds propres ou bien il y, <laughs> en a des partenaires qui vont vous accompagner Mais je l'ai dit, moi, je, suis uniquement sur fonds propres. Ok. Ouais, j'ai juste ma famille derrière moi, donc c'est le plus grand soutien que j'ai. Ok. Ouais. Voilà, merci euh, infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir aussi répondu présent à cette euh, invitation. Merci, merci bien. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, Digue Wali. Merci bien. Salut, on prend une petite pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit et nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin avec Hawa Ousmane. Nous allons parler de fabrication de jus naturel avec euh, Madame euh, Sabiou Nefisatou euh, Seibou Abdou. Hein, nutritionniste de formation, elle s'est lancée depuis 2018 dans la transformation agroalimentaire. En effet, cette activité est là commencé avec un petit revenu, mais grâce à, son courage et à sa désolé, et à sa détermination, Nafisa a beaucoup évolué dans son activité. On l'écoute au micro de Hawa Ousmane. Avec un budget de 5 000, j'ai commencé à faire les jus, les bissap, les mohari de 50-50. Suite à la demande des clients, j'ai commencé les bouteilles recyclées de 2000 litres. Je vendais le jus à 100 francs, 100 francs sur une dépense de 10 000, je gagne un bénéfice de 2 000 francs, malgré le revenu qui est tellement petit, mais j'étais tellement dégourdie à faire parce que c'est une passion à moi que je cultivais depuis longtemps. Donc, euh, c'est après ça, petit à petit, j'ai commencé à faire des bouteilles d'un litre et demi, recyclées toujours. Donc, un beau jour, j'avais eu une commande de 500 bouteilles pour un baptême. Donc, c'était depuis lors que j'ai commencé à lancer ma marque sous le nom de Nafsat en 2018. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la transformation et la vente de vos produits ah, Les difficultés rencontrées en tant que start-up qui évolue sur euh, fonds propres, sur euh, un budget de 5 000, mais les difficultés, il y en avait beaucoup. Au début, là, les ustensiles même avec lesquels je travaillais, il fallait que je me réfugie chez la maman pour prendre les bassines, les seaux, pour augmenter avec ceux de chez moi. Donc, euh, les ustensiles qui entraient dans la production, dans le processus de la production des jus. Au début, je n'en avais pas. À une commande, quand je vendais, le bénéfice que je gagne, J'essaie d'acheter l'ustensile qui me manque ou l'appareil qui me manque ou l'emballage. Je fais un nouveau restockage de matière première J'achète, je dépose. Donc ainsi de suite, c'était comme ça. Mais on avait aussi la principale difficulté au début, c'est qu'on n'avait pas euh, autant de clients pour nous aider à écouler la marchandise parce que là, quand je produisais, là, il me faut beaucoup de jours. Hein pour liquider. C'était après que j'avais eu la méthode, bon là, je vais travailler que sur commande. Et c'est comme ça que c'est venu. Maintenant, on est en train de gérer euh, avec les alimentations. En tant que femme entrepreneur, quel message à l'endroit de vos sœurs qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat Moi, je conseille à mes sœurs, l'entrepreneuriat est vraiment important de nos jours, bien avant l'entrepreneuriat existait, mais sous plusieurs formes. Nos grands-parents, nos grands-mères, nos mamans qui sont au village sont des grandes femmes entrepreneurs qui nous, maintenant aussi, nous sommes en train de s'y mettre dedans. N'attendez pas de finir des études pour chercher encore du travail. Chercher du travail aussi, on perd du temps. Commencez, faites des activités la transformation. Il y a beaucoup de domaines. Vraiment, moi, j'encourage. Vous avez une, idée qui vous cloche, qui vous dérange de la tête, allez-y. C'est en essayant qu'on peut voir si est-ce qu'on est capable de réussir ou pas, est-ce qu'on est capable de tenir ou pas, est-ce qu'on est capable de bien faire ou pas. N'attendez pas un financement ou quelque chose. Commencez avec les moyens de bord. Parce que en commençant avec les moyens de bord, on se forge sur beaucoup de choses avant d'en arriver au niveau où nous nous voulons arriver. Travaillons, travaillons, travaillons. La lumière, elle est au bout du tunnel. L'entrepreneuriat n'est pas du tout facile, contrairement à ce que les gens pensent. Mais avec un peu de détermination, du courage, de la patience et de l'amour de la chose, ça ira. Donc n'ayez pas peur. En toute chose, il faut essayer pour voir si est-ce qu'on peut assurer. Et je compte beaucoup sur les femmes parce que les femmes sont courageuses. Ne restez pas croiser les bras, temps un travail. Créez le travail vous-même. Le reste, ça viendra. Merci Hawa Ousmane avec cet élément qui, nous l'espérons, va encourager celles qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat. Chers auditeurs, faisons un tour en musique. Sinon, tu nous proposes quoi Eh bien, je vous propose Seni Mega avec son titre Umuyaye Titiaye. C'est de Haushi, on l'écoute. alimatilni alimatilni haifo manama jallo maiga tubarikalla hajiya farilla hajiya farilla hajiya farilla hajiya farilla hajiya dausaitaisa kolomba jamila baba kolomba jamila

guardate scioperi, guardate scioperi, guardate scioperi, quei guardi dei barbuni. Eh oui, chers auditeurs, nous espérons que vous avez bien savouré ce morceau très dansant de l'artiste Seini Meiga. Et eh oui, Seini Issa Antoru, dit Seini Meiga, a débuté sa carrière musicale en 93 au sein du groupe Wakabani qu'il quitte pour rejoindre le groupe Anashua Tal National. En 2011, Seini Meiga crée son propre groupe dénommé Mourna, un groupe avec lequel il ambiance régulièrement la capitale lors des cérémonies de mariage. Voilà, chers auditeurs, à présent, direction la région d'Etawa, plus précisément à Madawa, pour parler de ce super produit du terroir qu'est le violet de Galmi. Ce mercredi s'est tenu le quatrième forum de l'Observatoire régional de l'Oignon en Afrique de l'Ouest et, et, du Central. Et oui, c'était l'occasion pour euh, les producteurs d'évoquer les difficultés qui entravent la commercialisation de ce toignon et surtout trouver quelques solutions envisagées. Hamza Nomou, notre correspondant, nous rapporte les détails dans ce reportage. Hamza que nous retrouvons tout de suite après l'élément. Rana wanga wata taro na afirka ta yamma da ta tsakiya a nan madawa abubuwa da dama ne dai aka tattauna a bisa su kun san akwai identification geographic takarda ce wadda aka ba niger ta tabbatar da cewa albasa bile da galmi ta niger ce dan niger ne kuma ta garin galmi ce kuma sannan kuma a cikin region kintawa shi ke nuna wannan albasa kenan vile da galmi babu inda ake samun ta sai nan cikin kasar Nijar. Aliyu Isa mai ta samu daga tarayyar Najeriya shine magatakarda na wannan kungiya ta Oro AOC ya yi tsokaci bisa dalilan da suka sa kiran wannan taro. Sati ɗaya ko biyu da suka wuce an tara motocinmu na albasa a Burkina an na motoci da albasa. To mun yi Allah ya wadar da irin wannan abubuwan da hasaran da aka jawo mana kuma mun ɗauki mataki na ba za mu kuma bin wannan hanya ba. sai dai mu je mu yi zagaye in za mu je abidjan ko ghana na farko kenan na biyu mun yi kira kuma ga gwamnati ta diba yiwuwan saka ma wa'anda aka yi ma wannan hasaran na kona musu mota da dukiyoyinsu na albasa saboda su ma su samu jari su ci gaba da kasuwancinsu kuma wani abu da muka kuma zama muka diba shine yanayin da muke yawan kashe kuɗi a kan hanya mu dai abinci muke fatauci ko kuma abinci muke ɗauka daga nigeria ko niger ko Burkina zuwa Ghana, Abidjan da sauran ƙasashe. Amma sai ka ga jami'an tsaro na yawan tare mu a hanya. kamar waɗanda suka ɗauko ƙwayoyi ko bindigogi sai ga ana yawan ansan kuɗi kuma abin da ba su sani ba duk kuɗaɗen nan da ake ansa a ansana ansanan to talaka fashi ka biyan wannan kuɗin da in ya kamata a siyar da buhun albasa kamar a kuɗinmu dubu ashirin in ya kai can inda ya kamata sai ka ga saboda kuɗaɗen da aka ansa sai kaga ana sayar da shi dubu talatin dubu arba'in. edita wai na ɗaya daga cikin mambobin wannan kungiya a fuskar department ɗin malbaza ya ce wannan faɗuwa ce ta zo daidai da zama ganin irin matsalolin da manoma albasa ke fuskanta daga gona har zuwa kasuwa kamar cinikayya da ake son a da tsakanin banki da banki wannan abu ne mai yiwuwa saboda ko babu komi dai mutantanin mu na nan ga iyaka muke dai da najeriya na farko kenan na biyu na nan ga kusan mu babu wanda bai san naira ba su ko waɗance ne a takwarorin mu babu wanda bai san sifa ba kinan vraiment ya an ka kama ina ganin abu na wanda ka yi wa amma sai shugabanni sun kama saboda mu nan ga ma'aikatan mu suna da dama bisa ga na Benin da na Togo wannan taro da ya samu halartar mambobin kungiyar daga kasar nigeria Benin eh, Togo da Niger Hamza bonjour Assalamu bonjour. Wa alaikum salam, Hamza. Hamza, citez-nous quelques difficultés liées à la commercialisation de l'oignon. Eh, salamu alaikum bisa matsalolin da wannan da ya forum ya tattauna a kasu kamar yadda kuka yi akwai matsaloli na rikin nan da matsalolin da suke samu bisa ta hanya kuma nan suka ce kamar akwai sauki a cikin nijar amma hita ne kasashen wajen su burkina ne da sauransu da can ne ke akwai matsaloli wanda suke neman eh, dole gwamnati ta sa baki domin a samu a ciwo kan wannan matsala duk irin takardun da za su yi daga nan da sun hita wannan takardu ba sa aiki bayan hakan ga akwai wannan kuma matsala guda wadda ta rashin tsaro wadda ake tare motocin ana ƙonawa to kamar yadda kuka ji shi wannan magatakarda na wannan kungiya ta a hausa ya ce ba za su sake wannan hanya ba to nan wurin ko akwai matsala idan za a tsaya sai an yi gewa wani wuri to kasuwanci na albasa nan wurin sai ya samu cikas bayan hakan ga kuma akwai wasu abubuwa da suka zanu bisa kan sake eh, samfari na buhun da zai za a ɗauka albasa a da shi wanga buhu da ake ɗauka na albasa kusan yana kilo ɗari da hamsin Ah ok, d'accord, ah, d'accord Hamza. Est-ce qu'au mm. sortie de ce quatrième forum, des solutions ont été, ont été trouvées ou proposées pour faire face à ces problèmes de commercialisation de l'Union to lalle sai dai shawarwari da suka bada babu wani eh, wasu matakai da aka ɗauka na cewa a ciwo kan wasu matsaloli sai dai a ɗau an ɗauki matakai dai na cewa kamar irin kire-kiren nan da suka yi eh, na cewa da inda za su zuwa su ga firaminista minista su ga sauran 'yan kasuwa da wasu masu hannu da shuni sannan da zuwa su da kansu su yi zagaye cikin wannan kasashe domin kara wayar da kan abokan hulɗar su hadda ma gwamnatocin wannan kasashe domin a samu sauki bisa kan yadda albasa. To, ina gaida ku Hamza, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup Hamza. Bonne journée à vous. Je profite de cette occasion pour faire un clin d'œil à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent de l'autre côté de la terre. Et oui, euh, Sally, maintenant place au sport avec euh, notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit bien de Adam Sariou qui est avec nous dans ce studio. Adam, bonjour. Bonjour Salamatou. Bonjour. Alors, nous sommes à la veille de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Algérie 2023. Oui, Salamatou, la CAF a en fait rendu public le calendrier complet de cette compétition de moins de 17 ans qui se déroulera du 29 euh, au 19 mai du 29 avril au 19 mai le match d'ouverture euh, verra le pays hôte, l'Algérie, affronter la Somalie le samedi 29 avril à 20h, heure locale et 19h GMT, au majestueux stade Nelson Mandela d'Alger. Pour rappel, Salamatou, le stade Nelson Mandela a récemment été inauguré lors du match Algérie-Niger dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2023. Alors, Adam, euh, je suis sûr que nos, nos auditeurs aimeront en savoir la constitution des groupes. Oui, nous. le groupe A est composé d'ailleurs de l'Algérie, pays organisateur, suivi du Sénégal, le Congo et la Somalie. Dans le groupe B, nous avons le Nigeria, la Zambie, le Maroc et l'Afrique du Sud. Et dans le groupe C, nous avons le Cameroun, le Mali, le Soudan du Sud et le Burkina Faso. Alors Adam, quelle est la particularité euh, de cette édition Alors nous, c'est pour la première fois que ce tournoi, est ce tournoi destiné aux jeunes de moins de 17 ans mettra aux prises 12 nations. La décision d'augmenter le nombre de participants est conformément à l'objectif de la CAF d'encourager les participations et offrir plus d'opportunités de jeu aux plus jeunes. Adam, pour clôturer cette page de sport avec un mot de football féminin. Oui, Salamatou, en fait, l'Afrique du Sud pourra, pourrait être la première nation africaine à accueillir la Coupe du monde de football féminine le football féminin, autant pour moi, l'Afrique du Sud se retrouve en concurrence avec le Brésil le, et deux autres candidatures conjointes, à savoir l'Allemagne, Belgique, Pays-Bas et les, États-Unis d'Amérique en compagnie du Mexique. Alors, euh, c'est la fin de cette chronique, Salamatou c'est nous. Merci Adam pour toutes ces... <laughs> Merci Adam pour toutes ces infos sportives. Sur un tout autre plan à présent c'est nous, nous allons à Tira, dans la région de Tilabiri, à la rencontre de Moussa Usulu Ousseini, un jeune conducteur de taxi-moto. Oui, à Tira, ils sont nombreux les jeunes qui font du transport de marchandises et des personnes communément appelées kabukabu. Ils exercent un hein, ils exercent ce métier avec euh, les tricycles connus sous le nom d'adé Parmi eux, Moussa Salou Seni, qui a quitté hein, les bancs de l'école pour travailler, suivait son portrait avec Moussa Boukari Kanda. bai go mo kala ne go so taxi taxi ne ta daidaita a daidaita o kan gokte ifo de no na nuhurara wato din move ne était promoteur igner e piche donc maintenant le move reza keri move si goy kone après di ke go goro e si kai kulte ai barkta e chel foga kama min wala wala kala ir kote bor di kan e bagoyo ana poporo de se e go tenda daidaita ne bekte lokol wan man bekte lokol était lokol kal terminal il faut se no ne fat lokol ka kure a taron wallahi kulo ya kannan ka lokolo la ayo privé ne wote wato din ay mon oncle fonon ko bane se manque de moyens non nan ekite école. wato kan yo go move ay monong bane bon se donc move reza ke donc ya dinga araka situation ka grave tonton o nan e, e fatte ma. wato non ne ni fatte lokol kika kur adede tawara here fo no ta sanno kanu kurnin de igame abada era mon beg ban izo se matkulu fonne ladena ke cikada ine ya maro ine gore wala me kadde sudde dang ne wodi kan e wo fure retar parce que ale koku nor ceci zamar warang ndey fon kak bana lokol bore se di kan wodi ay ko fure retar yamu jire ko ko ay fo sikte ya dinga kon kuna e kolo nasibe ngari vala wan sari vala abinde wone du borgo pet kan ala igbe kan de ne go pet kan eno di kan de ta de de la ni e murare igte egin ki gaksini me kan e famen di se kan manque de moyen harakno bu be kan sende harakno donc imana di se ine de no irko mal barka dangu adede ta goyo karanugo fono ta barmeyon kanu akatim sen ba hunara dede ta connections bubona ne no ba buddo ya kine jama kan kan man man du ga ifo gomno an fo borgun kudu 5000 an fo 10000 an fo 15000 an fo mo kadde sur ko an fo bane san sonoron su do ay fo sende kan non gobdi adede ta gora wato di popor kenano irmon murare feri ini gai adede ta mo ka kure adede ta maga wat fo in police gdu cer problem an fo dinun di kan sen sen ingnem ko kande sunala numa nduba zo ngin ka inen sem kan 20000 mbeki kan ga problem imun po pradi yek ko gisi komisaria agin te jirb taakino din jirb guno din matan go goyde non gdu fo kan ko no irwo kig ba wo irwo ngare gomnati ga irko sham dongone dan irsa kan na lakkal kenem kan lebola fado ndeno ko bode asar ka gorfada ba waran ko muradin sin ka ferne bonse donc ya dinga yo ngare jeunesse so se irko shim tun ki irmir bondi Merci à Moussa Boukari Kanda pour ses portraits. Place à présent aux femmes du studio Kalongo pour le loti du jour qui nous parle de la consommation de kaolin ou argile botogo en germain. Est-ce que tu es un mangeur de botogo, toi, c'est non <laughs> Non, ce qui est sûr, euh, il n'y a pas que les femmes euh, qui en consomment. Il y a aussi certains hommes au Niger et dans plusieurs pays d'Afrique. Ce sont surtout les femmes enceintes qui sont les premières consommatrices. C'est ce que les spécialistes appellent géophagie. Et cette pratique n'est pas sans conséquence sur la santé de la mère et de l'enfant. N'est-ce pas, Rafik, n'est-ce pas Recha Arimi et Samira Rouafi <laughs> Loti. Loti. si Loti. Loti. Ah, ai hawa ni go ba ni mu. ah fifi ninno si alhanan ma aiwai laka logo non gufo hare amma ba ni samai nin fani go ba ni man ta ino ai him kyarano. ni wa haddai ni duni botaga wo ni goganwa ni si di ni si ma. hayo gogai lakal tunan di wallahi ni si. to ai kyara nin bog be botaga wo wago ai gogan wano asiyai bayi ga go godi alhali kan rana go alhali fo ni sigi di hankan gai jinano dai te zari follon ai man botaga wo wa kala bintai da harcin di kan bori koyin ni di safari mono kan si cada dai duwe da luguwar waran ka gai murado fere gai harin wa kala sai sai oho irga bai kan ga bintai da korne fi safar amma iman ne ni mu ibobun wame wala ga rafi kai shi gan wayi bobo kai ni fo ne nwa za go men da mi asibi so ta ki wani kai nwa kawai mu duga ma dai ga han mugaka ne wa kan ni woni goga dino yame aga koi ga tenise illa ni wani ga han ba no bon nig bai kan haibobin wayan mo sibori it koy begi wallahi nig ba sani bai ran diyan gafika han kan patal mizi kai ni kai ni fo inda hene gonwa hey ni han kai feri boto gon wayan mo agte ni se lahani no ni gundara am koi war ni se ni wani buzgora koi ni nig bai kan akata ni se masal bobiya it koy begi ya dinga hada lahani fo no gase hmm, ni wodi go salan ni se hangan gabai ha mabai kan bere koi ne ina boto gon wayan ganji soko famu wai bargun da kwaye se ifo se kwai ni mo wallahi ga kanu hawo mo ga kanu kwai ni ta dai ma kai ni foma he daga nan dai se <laughs> botogo hin ga kuri ai dan borai kan yin goga wasi kwai ne mo haikan galala asibar kul se tugureira wai bargun da kwai wo za hano borno kan sin da kuri gumo soko famu kan ayega kaga botogon wa kwai ne ngune milla kalkanandi haikul no sidwai ga toye se kuri ai ga hadini kulai gana <laughs> Ome, haru ni wo haya sambundo fore ni sibai kan botogo ni ga wano koi ne lami ga yindi agbergeten ga teni se kwaya se na ga fika wallahi ni sintin ga a to hari no ga hamburandi bindi bo ai man baki ni se lahanai kan gwabande kan manti Nidi ni nig targa hai ko kya manto hayya wala ko kya beri hai tora ila labun boga tikan ni izo ga hingabu walmo ni bumbo ni mu bu gunda wate wala mu hayyan wa. subhanallahi ai wa shi babe hankan ga fango ai shi bai mai izo hai lokacin manto wala mu a gyanga a to wajin wa kimino fa ya dinga ni bon hagwai kwai loktar kwara gimbon guna nim duga bai alhalo ranin din go a to atil sai ga walla hey za son bumboda ai nan boto ga won su za su bai kwai je wani loktor a to aga wajib ni gafa da mantiyadin ni kwai ga zanka hai ga hamu kul botogo <laughs> fifi wallahi ai sabu ay saabu daal baharay ga kaagayno son wakay hay ne gite indiya ubo ku kuma su chak chak fay mafu halem ba ta gadin wa <laughs> mudin wa aranga marano <laughs> atil sai gano mi a to Voilà, chers auditeurs, à l'instant c'était bien le loti hein, des femmes du studio Kalangu. Suivons maintenant Alamine pour la culture linguistique et l'expression du jour est sécurité au travail. Alamine, bonjour. Oui, c'est nous. Bonjour, Salamatou. Bonjour. Euh, aujourd'hui, c'est la journée mondiale euh, sur la sécurité et la santé au travail. C'est pourquoi je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements sur cette expression. En amont, il faut comprendre que le rôle de la sécurité consiste à garantir la sécurité des personnes contre les risques naturels comme les incendies d'origine naturelle, les inondations ou contre les menaces diverses qui peuvent mettre en danger leur sécurité, comme celle de leurs biens. Et la sécurité du travail vise à supprimer ou à réduire les risques d'accidents susceptibles de se produire au travail. Néanmoins, il existe des règles à respecter pour euh, une bonne sécurité au travail. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y a entre autres maintenir la zone de travail propre et ordonnée, s'habiller de manière appropriée, fermer complètement les portes, les tiroirs des armoires,

azagazana wedin daqal waba did zasini mosan el waba addisan addosan ewetid allahu yani qudratna allahu مدير المثال شيلاتنا قارد دوا الله مدى الخديس مدى شيلات نسن أرتم وين دا تفر تنا الغي اللاز دغرق نشغل السوا كتف نظرة تانية إفراقنا ندقر ونويدن موسن الغدرن دغرق وقلنا الشغل ويتاك دغا ديادنا نو الغدر دغ الشغل الصحات ندل على سنويدن يوار يدقن الشغل ويها يقيس اللي انتو الا دابا ناس يوهر تاني قويدن وزرن زرن دغرقن الشغل اللي انتو شر دانس يوهر داسن الكم يقيس ادن ملدغ سنارت نرت ادي قلا سيدا قويها يكيطت هروادا يقا النظام يهوسي يقا تابدوغ تهوسي تغني تيلسي تهوسي يهر هرداغين البابا دنافيزا هروادا الدقن سنسنكاتا ولقنا ويقلا انتداء الأمة مدغ ايتيدن يهور داني سوسن فلارت ويقلا تارين شي نصور توقينا ميرسي بوكو على من واشا نسينا مرا ما سلامتو اوكي <laughs> تمام ميرسي Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir d'amples explications en anglais, en hausa, en germain, en tamashek ou même en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. Salamu alaikum. Sunana Shafi'u Karbali, ni abun shi sauraron Sidiyo Kalangu. Ina sauraron Sidiyo Kalangu a ƙarƙashin tashar radio Ikirawa Bande. E, shirye-shiryen nasu wannan da suke sawa shirin shirin yare Niger gaba ɗaya yare biyar suna sa mana. Yana burge mu sosai. Kuma shirin da ke burge ni ni de Shafi'u akwai shirin matasa wannan yana burge ni. Kullum sai na saurari shirin matasa. Ina gaida Babandi akwai Haladu Ikirawa akwai Makke Usaini Ikirawa. Sunana sunana Hadiza daga garin Bosheri. Muna jin daɗin shirin da Sidiyo Kalangu take yi musamman akan mata arman gaugawa da rashin zuwa lakwal. Ina gaida Hajara a garin Bosheri, ina gaida Baraka mai kwando, ina gaida Nana. Sai Madam Halima, je suis enseignante à Durku. Nous suivons régulièrement les émissions du studio Kalangu sur la Madiana FM de Durku. C'est notre seule source d'information. Nous suivons les émissions comme les informations à l'angle à 17h, les forums, mhm. et surtout maintenant, le Niger sur Kalangou de 11h. J'aime beaucoup ces émissions-là, comme Loti, Rose jusqu'au bout des angles, qui parle des problèmes des femmes. kalangu na sahi wannan yana katar da musu domin a studio kalangu ne muke jin labaran gaskiya ba jite-jite ba muna jin kamar ka ji wani labari a cikin gari ko baka yarda da shi ba in studio kalangu ta faɗi wanda ta ce an yi wani ba gari kaza ko gashi gashi abin da ta faru a cikin kasa muna gane gaskiyar bayani a studio kalangu ina gaida fada jari da ibrahim da kuma karuja abubakar lili a hali a tsere da haka alwance kasare hudun sadar gani studio kalangu arwa grazana ni silawun ta ginin balle wun ta balle mardu shirin na sauwan a gorade igrazana wulle akal to sai a tigirwa isalan studio kalangu kuma frega tuta lamban na sanwan na artela tigiro isala na sanarwa studio kalangu wa juto sani jar ni garrawi salanin mignet yalla ta Voilà, chers auditeurs, c'était là les messages vocaux qui nous ont été envoyés par nos auditeurs. Nos auditeurs. Vous pouvez également faire pareil hein, en nous envoyant à ce numéro que euh, ma collègue euh, nous vous a communiqué autant pour moi tout à l'heure. Il s'agit de 82 89 64. À présent, retrouvons encore une fois de plus Rafika Ataer. Elle est là pour les titres du journal de 17h. Fisca, rebonjour. Rebonjour, c'est nous. Quels sont les titres de ce soir Alors, pour les titres de ce soir, la police euh, départementale de Cantier a une fois de plus intercepté des migrants. Ils sont au nombre de 59, dont des femmes en majorité, et viennent s'ajouter aux 192 pris il y a quelques jours dans le même département. Le directeur de la police apportera plus de précisions. La population d'Arlit se réjouit de la centrale solaire qui sera bientôt mise à leur disposition. Cette centrale est offerte par la coopération algérienne et elle fournira 10 MW d'électricité. C'est une bonne nouvelle. Ah oui. La partie magazine de l'édition de ce soir va porter sur l'historique et l'origine de la langue Tassawak Dingal de la région d'Agadez. Merci Rafika. Merci beaucoup Rafika. Je disais la langue Tassawak, c'est plutôt la langue Tessawak. <laughs> Tessawak. <laughs> d'accord. Merci beaucoup, Rafika. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et de Ali Ousseini. Rendez-vous la semaine prochaine. La technique, nous avons Mustapha Ayouba, Adam Donwaki, notre chef d'édition ne ratez pas l'actu de jeunes et tous à la FADA samedi et dimanche à partir de 17h sur nos radios partenaires et sur notre site www.studiokalangu.org. Excellente journée à vous tous et ciao ciao. Bye bye, bon week-end.